auditeurs de Niger sur Kalango, très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et Mariam Adé pour la présentation. Mariam, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Rabia, et de ton côté Ça va super bien. Alors, qu'avons-nous au menu de ce matin Comme d'habitude, Mariam, nous commençons cette édition avec le Flash, la rubrique hebdo qui va parler environnement, le reportage région qui nous mènera à Tawa, sans oublier notre page sport et le loti de l'équipe femme du studio Kalango. Le 18 décembre dernier, c'était la journée internationale des migrants. Dans notre playlist d'aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène de l'exode et des migrations en musique, une thématique qui a inspiré plusieurs artistes chanteurs. Dans cette édition, nous recevons Berthe Durmont, Elle est coordinatrice adjointe du département sécurité économique ECOSEC au CICR. Voilà, cette émission, c'est aussi euh, la technique et la l'équipe technique et rédactionnelle qui assure un big up à Fanta Shamsou et Seni Isaka à la technique. Accueillons à présent Samira Rouafi pour le flash d'information. Bonjour Samira. Bonjour Samira. Bonjour les filles. Alors, c'est quoi l'actualité de cette matinée Alors, euh, voici donc euh, le flash euh, de ce matin. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel major Garba Hakimi, a présidé hier à Niamey la cérémonie d'ouverture de la réunion du Comité national de la santé au titre de l'année 2023. Il s'agit à travers cette rencontre de valider les plans d'action 2024 des structures de santé, offrir une opportunité pour une orientation des stratégies efficaces afin d'engranger plus de résultats au cours de l'année à venir. Selon le ministre, plus de 250 000 Nigériens supplémentaires ont accès aux soins de santé de base. Environ 1 250 000 utilisatrices de services de planification familiale au moins 1 420 000 enfants de 12 à 23 mois ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre la rougeole. 500 000 femmes enceintes ont bénéficié d'une assistance à l'accouchement par une personne qualifiée et plus de 6 200 000 habitants couverts par les stratégies de Foraine immobiles. La direction de la police judiciaire de Niamey a procédé dans la matinée du mardi 19 décembre dans ses locaux à la présentation de plusieurs bandes de réseaux des malfaiteurs. Cette présentation a été faite en présence du procureur de la République du Niger, Baido Ousmane Ibrahim. Il s'agit de quatre réseaux de malfaiteurs spécialisés dans des vols à main armée, la détention illégale d'armes à feu, usurpation de titres et les vols à l'arraché. L'un de ces réseaux serait l'auteur d'une opération menée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2023 où les malfrats ont, couvert, ont ouvert plutôt le feu sur quatre membres d'une famille dont une femme enceinte occasionnant des blessures graves avant d'emporter dans leur fuite une somme de 600 000 francs CFA. L'influenceuse Nathalie Yamba est arrivée à Niamey pour échanger sur la question de souveraineté qui est un élément clé pour le développement d'un État. C'est ainsi, euh, dans le cadre d'une conférence débat prévue ce mardi 20 décembre, la panafricaniste a animé hier euh, une conférence de presse à la maison de la presse de Niamey pour apporter euh, plus d'éclaircissement sur cette grande rencontre. Voilà, c'est tout pour le Flash Info de ce matin. Merci. bien Samira, à bientôt. Et comme annoncé en début d'émission, nous sommes en compagnie de Berthe Diamonds. Elle est coordinatrice adjointe du département sécurité économique écossais au CICR. Bonjour Madame Berthe. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur cette émission. Mais Mariam avant d'entamer nos échanges, arabes, allons pour notre première balade musicale avec les titres Koukan Kourtia de la cantatrice Adela Zabea Hussein. jiwa ta ni za ba ya ta gadaje a gida ce ha sada ruwan gede ta amma ta da ba na so ba duniya amma kwai da kwai ba ka ciki ne kusa shi hakuri da kukan kwanne ashe kwace shi na da tarayya da sai hankuri da yayan yana bari za ba ya kwato ki alhaki dan kai ne kusa kwani ka doka alhaki dan kai na matan maza maza ka kira na alkawarin hutakkara ki sinawa amma maza alkawarin ba mata so mai santa. Tayari. Pour la petite histoire, cette cantatrice, elle est originaire de la région de Tawa, l'une des régions les plus touchées par l'exode rural. Elle chante la bravoure des candidats à l'exode avant le grand départ et à leur retour. Mais pour cette chanson précise, elle s'était rendue en Côte d'Ivoire pour chanter apaiser la colère d'un exodin qui s'était exilé là-bas après un scandale dans son village et c'était à la demande du petit-fils du monsieur. ya saba na kun san ba shi kuskuren magana ba bakarar ya sai ta bace da haushin gare ya ba za da wani ya bace da haushin gwanja. gwanya da labira suka tare in kin so mutum ki ba su balla ku sake shi sai ki ba shi kulaje ina ita in kici da hanyar gwanja da kasa habi sakari bai bata in kun zo ku sassa kwanin bai ne kun ce maganin cire shi kasawa gwanya da nisa abuja zuwa ki sai mai jalli don Allah ku ba ka ne masa kwai da Allah ku gaci gami da iyawa ku na zo ku ba ku mamaye shanta da yau ku kasa kara da gwanewa na zo ku ba ni dan da kaso na ba maza kulle ba ku ba ni in ba kaina. kumbura ga maiya tunko da girman kuka kusa na san baka ruwa ta yi ta ka bai cika aiki ko baka gaskiya ka bashi yaro ba shi kumbura ga maya je ba shi gaba addini la kuma sani madoka ibne abin da mallan yake gaskiya jiki daga kamu mai roko ba a ba shi sai ya roka ina ni ka samu zake. C'était le titre Koukankourtia de la cantatrice Adela Der. Retour au studio avec notre invitée du jour, coordinatrice adjointe du département sécurité économique ECOSEC au CICR. En termes de conflit et de crise, 2 millions de personnes sont déplacées. Elles se sont retrouvées sans vivre, sans revenir sans toit. Elles risquent d'être frappées par la pauvreté et de perdre espoir et dignité. L'unité sécurité économique du CICR est sur la ligne de front, apportant à chaque étape des secours d'urgence et un soutien sur le long terme. Qu'est-ce que c'est que la sécurité économique au CICR Merci beaucoup de l'invitation déjà. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Euh, la sécurité économique fait partie intégrante des programmes d'assistance du CICR. Au CICR, l'assistance a pour objectif de préserver d'abord la vie et puis de protéger la dignité d'individus ou de communautés affectées par des conflits armés ou par d'autres situations de violence. L'assistance normale et l'assistance comble, mm-hmm. comble les besoins essentiellement couverts de ces populations affectées-là. Et il, il le fait, elle le fait selon les standards déterminés par l'environnement social et culturel. Ces besoins sont variés alors oui, justement, on voulait savoir quels sont les types de programmes, activités que le CICR met en œuvre à travers le programme de sécurité euh, économique. J'y viens justement. OK. Mhm. J'y viens. Donc je disais que les programmes d'assistance sont variés. Nous avons d'abord les besoins, nous couvrons les besoins qui sont liés à la santé, à l'eau, à l'assainissement sanitaire, à l'habitat et maintenant à la sécurité économique. OK. Donc quand je viens à la sécurité économique maintenant, nous nous couvrons en tant que département au CICE, la sécurité alimentaire, les besoins essentiels domestiques des ménages et puis les moyens de subsistance des populations affectées. Qu'est-ce que ça veut dire Nous avons pour objectif de soutenir les populations, mhm. de soutenir les populations affectées à renforcer leurs moyens de subsistance, les moyens de production, afin qu'elles produisent elles-mêmes des revenus et couvrent leurs besoins essentiels. Comment les actions de sécurité économique sont-elles mises en place Pour nos, différentes interventions, nous, avons différents modes de, de travail et différents types d'interventions. Cela dépend du degré de crise que traversent les populations affectées. Dans les situations de crise aiguë, quand la subsistance ne peut pas être assurée par les moyens de production, c'est-à-dire que les populations n'arrivent pas à couvrir leurs besoins essentiels, nous venons sauver la vie. Nous venons avec des distributions de secours, de vivres ou d'articles essentiels de ménage. Nous pouvons aussi distribuer des, intrants pour pouvoir des, intrants agricoles pour qu'ils puissent redémarrer leur activité eh, eh, et, de moyens de subsistance et leurs moyens de subsistance. Dans les situations de crise émergente la crise de crise chronique et d'après crise nous soutenons et renforçons les moyens de production pour que les communautés puissent elles-mêmes produire et ensuite avoir des revenus et couvrir les besoins essentiels. Ces activités-là sont faites selon les systèmes économiques des populations affectées. Ici au Niger, par exemple, nous sommes, dans le, nous sommes dans le domaine de la réhabilitation agricole, la santé animale et la gestion du bétail les AGR e ou des initiatives microéconomiques. En situation de crise chronique, c'est-à-dire quand la crise est là et que les populations sont dans une sorte de ni paix ni guerre, mhm. à tout moment ils peuvent être attaqués, mais ils sont dans cette situation-là. Par exemple, dans la région de Difa, nous mettons l'accent à, à, à supporter les services techniques, par exemple, les ONG locales ou d'autres organisations pour qu'ils puissent reprendre nos activités quand nous allons sortir, par exemple, du contexte. OK. Alors, quelles sont vos zones d'intervention Nous intervenons dans trois régions principalement actuellement. La région de Difa, la région de Tawa et la région de Tilabiri. Mais à l'intérieur de ces régions, nous avons des zones que nous appelons zones prioritaires. Et ces zones prioritaires-là sont choisies selon une analyse qui porte sur notre mandat. Notre mandat lié aux violations du DIH. Parce que vous savez que le CIC est le garant du DIH. Et DIH par DIH DIH, c'est mhm. le droit international humanitaire. OK. Et donc, euh, selon les causes ou bien les circonstances de, de, ces violations-là, nous décidons si oui ou non cette zone-là est prioritaire pour nous. Et ça peut, on, considère aussi d'autres facteurs comme l'ampleur de la crise, s'il y a trop de déplacements de population par exemple, d'autres facteurs comme la gravité, s'il y a eu beaucoup de mortalité par exemple, et d'autres facteurs comme... Euh, euh, Hein, bien d'autres facteurs. S'il y a d'autres acteurs, humanitaires qui sont là, qui peuvent répondre aux besoins, nous évaluons si oui ou non cette zone est prioritaire pour nous. Et donc à DIFA, nous sommes dans trois communes principalement. Nous sommes à Toumour, nous sommes à Bosso et nous sommes à Barois. À Tawa, nous sommes sur, nous sommes sur l'accès euh, Tilia, Tassara Tintabaraden. Tintabaraden. Chintabaraden. <laughs> oui. Et puis les zones de Tchénois et Tabalak. À Tilaberi, nous sommes sur l'axe Gotei, Tera, Bankilare, sur l'axe Saï, Torodi, et également sur l'axe Baleara, Bani, Bani Bongo. Mhm. ah, ouais. Si je prends l'axe, par exemple l'exemple de Barwa, Barwa compte à peu près 10 000 personnes qui sont soit des déplacés, soit des retournés, soit des réfugiés et ils, sont, ils se sont établis non loin du lac. Et nous savons les sécurités qui règnent autour de ce lac-là. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas accès à, aux ressources naturelles pour pouvoir faire des activités et se prendre vraiment en charge. Donc, nous, nous venons <laughs> Excusez-moi. oui. Voilà, Madame Berthe, euh, vous êtes sur un vache chantier. On va euh, revenir avec la seconde partie de notre entretien. Mm. Voilà, merci pour tous ces éclaircissements sur vos actions. Mais avant de poursuivre avec cette seconde partie de nos échanges, faisons un tour en musique. Certains artistes, en abordant euh, la thématique euh, de l'exode, sont plutôt dans la sensibilisation. Écoutons ensemble Gargadi de Garba Anko. Tina ko ina gagai ga kare kun gidanka, ko ba a ruwa je ga kare kun ka. nan kuma kana gida ga kare kun ka. kina labari kasa ko har makana za ku. mai ƙasa, inda kake yin hali gaba, can kuma sai tsare ƙasa ba wa zo a ƙasar su. Shiga na wajen su mai doka sai na kwabalika, kuma shiga na wajen su mai doka sai na izaka. Tashin hankali abu ka da ba ni babu. 欢乐开怀。 mai samu bonna mai yawa kaka zame mutuno goje ka sale ga tamu kaka zame mutuno goje a tamu nijar mi zabo dare gudunman daga mai an kasa zuwa su ne za su ba mu kayan aikin da za mu tuno goje a samu nijar Garbada Garbada de Maradé, sa troupe de jeunes filles demande aux exodants de rester pour construire leur pays. Ils chantent aussi la dignité et la quiétude que l'on gagne à rester chez soi. Voilà, c'était Gargadi de Garbadan encore. Revenons à notre euh, invité du jour. On rappelle à nos auditeurs que monde. Non, Berthe Diamant, qui est avec nous aujourd'hui est coordinatrice adjointe du département sécurité économique et EGOSEC au CICR. En temps de conflit, non, au Niger, le CICR, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne, apporte une assistance d'urgence en nourriture et bien de première nécessité à de dizaines de milliers de personnes réfugiées, déplacées et résidentes vulnérables dans les régions de Difa, Tilaberi, Etawa, Madame Berthe. Alors, comment estimez-vous les besoins des communautés dans les zones où vous intervenez euh, Merci beaucoup. Toutes nos interventions commencent par des évaluations de besoins, c'est-à-dire mhm. que nous allons directement dans les communautés, discuter avec eux et identifions avec eux leurs besoins. Nous priorisons ces besoins avec eux parce que vous savez que les besoins sont illimités mais les ressources sont limitées. Et ah. donc, nous devons les prioriser avec eux. Ils nous disent ce qui est prioritaire pour eux. Et nous décidons ensemble quels sont les, facteurs de vulnérabilité qui vont nous permettre de faire des critères de vulnérabilité de la population, parce qu'on ne va pas assister tout le monde. Par exemple, dans une communauté, il y a des gens qui sont plus vulnérables que, d'autres. Et donc, nous identifions avec eux ces, critères de vulnérabilité-là qui vont être pour nous des critères de sélection des bénéficiaires de nos programmes. Ensuite, toujours avec eux, nous discutons des, des réponses appropriées eh, pour tel ou tel besoin et quelles sont les modalités de l'intervention qui pourraient. Quand je dis modalité, comment est-ce que nous allons apporter l'assistance Est-ce que nous allons l'apporter en nature Est-ce que nous allons faire du cash, c'est-à-dire donner du cash aux bénéficiaires si la sécurité dans la zone le permet, si les marches marchent et si ces marchés-là peuvent absorber toute la demande que nous allons créer en distribuant du cash dans la zone, ou bien s'il faut venir par des vouchers pour faire des froids, par exemple. Les froids, nous contractons des fournisseurs sur des articles donnés et ils viennent, ils créent un petit marché et nous nous donnons des, bons à, euh, à, nos bénéficiaires pour aller acheter directement avec ces fournisseurs-là. Nous, avons fait cette année hein, pour des bénéficiaient de, de, à qui nous avons distribué des semences de riz pluvial et nous voudrions leur donner de, l'engrais. Donc, on a contracté avec des, fournisseurs d'engrais qui sont allés sur place là-bas à Tilaberi et ils ont échangé des bons contre 50 kilos de, de durée et 50 kilos de NPK, par exemple, pour pouvoir fertiliser le, champ de, riz. OK. Euh, donc, c'est comme ça que nous, procédons pour identifier les besoins et pour identifier les modalités d'intervention. Alors, comment se matérialisent vos interventions au profit des populations, des populations dans les zones d'intervention Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, privilégie la modalité d'accès direct. On va directement et on, on, on implémente l'activité. Mais quand nous n'avons pas accès, nous avons un partenaire très privilégié qui est la Croix-Rouge nigérienne, la CRN, qui a un réseau de volontaires et de branches bien dans, la, et dans, le pays et surtout dans nos zones d'intervention. Nous nous appuyons sur eux pour faire des, activités, par exemple, à distance. Sinon, toutes, les toutes nos activités suivent le même cycle. L'évaluation des besoins d'abord, et puis on identifie les bénéficiaires, et puis on met en place euh, l'assistance. Le, on fait un suivi pour nous assurer que nous avons un bon résultat, parce que ce n'est pas devenir donner seulement de l'assistance, mais il faut veiller à ce que effectivement ces moyens de ces, articles ou bien cette assistant que nous avons donné atteignent les résultats que nous voulons, c'est-à-dire renforcer leurs moyens de subsistance afin qu'ils puissent se prendre en charge, couvrir leurs besoins essentiels. Donc on fait ce suivi-là et puis voilà, on ne le fait pas seul, on le fait avec d'autres partenaires qui sont les services techniques par exemple de l'agriculture, de l'élevage ou bien, bien d'autres services selon le domaine dans lequel nous, nous, allons intervenir, si c'était l'agriculture, l'élevage ou autre chose. Nous, nous appuyons aussi sur des organisations locales euh, cette année, nous nous sommes appuyés sur l'ONG GRET, par exemple, mhm. qui, avec qui nous avons un projet pour euh, euh, la production de farine fortifiée pour les enfants, parce que la malnutrition aussi est un domaine où nous, nous intervenons. Ok, alors pouvez-vous nous dire brièvement ce que vous avez eu à faire au profit des communautés en 2023 En 2023, mhm. nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons déroulé toute la palette de, nos activités et de sécurité économique. D'abord, nous avons fait des interventions de secours, comme je l'ai dit au début, pour euh, euh, des vivres, des distributions des vivres, d'articles essentiels des ménages. Nous le faisons quand les populations viennent de se déplacer, peut-être brusquement. Ils ont, le village a été attaqué. Mhm. Le village a été attaqué et les populations n'ont pas eu le temps de se préparer pour se déplacer. Ils se sont mhm. déplacés avec le peu qu'ils qu'ils avaient sous la main. Et quand c'est comme ça, nous avons besoin de venir pour leur donner les articles de premier secours, qui sont les vivres, et puis ces articles essentiels de ménages afin de se protéger contre les aléas climatiques et aussi de pouvoir faire la cuisine, de pouvoir puiser de l'eau, tous ces petits articles de ménage qu'ils ont besoin d'abord. Nous pouvons aussi, si le déplacement se prolonge, nous pouvons venir et nous avons fait des distributions de semences. Des distributions de semences pour leur permettre de cultiver des lupins de terre auxquels ils ont accès. Nous en avons fait à Tilaberi, à Difa, et, à, Tawa aussi. Tawa, c'était plus des distributions des semences maraîchères. Nous avons également soutenu, le, dans le cadre de l'élevage, eh, la campagne nationale de vaccination eh, nigérienne. Nous avons, c'était un soutien financier et puis un, support en matériel. Matériel comme les, eh, les, seringues ou bien les équipements de, de transport pour les équipes de vaccination. Aller sur le terrain, soutien financier pour la paye des primes des vaccinateurs. Nous avons également, pendant la période de soudure, fait des distributions de vivres pour la crise alimentaire. Vous le savez qu'au Niger, pendant la période de soudure, il y a certaines zones qui sont identifiées par le cadre harmonisé, qui mhm. sont déclarées comme en crise. Et donc, nous avons participé avec les autres organisations à répondre à cette crise-là. Et pendant cette même période, période, nous avons soutenu des banques aliments bétail. Banque aliments bétail, je disais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. <laughs> Il y avait Vraiment, nous avons fait beaucoup, d'actions. Beaucoup d'actions. Euh, Et, voilà. Bon <laughs> courage pour la suite. <laughs> voilà. Le temps, il est un peu contre nous. On ne peut pas aller sur tout. Oui. Euh, on va se revoir, Inch'Allah. Alors, on va vous dire beaucoup de courage pour euh, toutes ces actions que vous menez et euh, voilà. Un, dernier mot. Ah d'accord. Un dernier mot pour pour, pour, pour, pour clore. Ok. Euh, je, je voulais préciser que cette année, notre département a atteint, a touché par ses activités un peu plus de 1 million 77 000 personnes par nos activités. C'est énorme. Alors, Félicitations à vous et beaucoup, de courage. On se dit à bientôt sur cette émission. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dans le département d'Ilela, région d'Ottawa, l'espèce végétale Prosopis africana, appelé également euh, le mesquite africain est en voie de disparition. Cette situation est due à l'action de l'homme selon les responsables de l'environnement. Des actions sont entreprises pour sauver les rares espèces qui restent encore, explique le capitaine Tahirou Amadou, responsable de la gestion durable des terres et des eaux au service départemental de l'environnement de Ilela. Il est au micro de Moutar Mahamadou. Prosopis africana. C'est une espèce euh, qui est en voie de disparition ou bien qui a presque euh, même disparu dans le département de l'Ela. Mais Dieu merci, on trouve donc ses euh, ces traces dans la commune urbaine de l'Ela, notamment vers Warao. Cette espèce avait existé, mais avec la pression donc humaine, la démographie et avec aussi la contribution des certains charlatans, elle est presque donc décimée. Quelle est l'importance de cette espèce d'herbe L'importance de cette espèce, c'est une espèce donc agroforestière, c'est-à-dire donc qui contribue à l'amélioration de la structure du sol. Donc euh, les gens se reconnaissent que ces feuilles ont une très grande importance, c'est-à-dire c'est comme tout euh, l'espèce qu'on appelle Acacia alvida. Les gens donc euh, utilisent ces feuilles, la pharmacopée, même pour la petite consommation. Les jeunes feuilles, on les consomme, on consomme les fruits aussi. Cette espèce aussi, elle est beaucoup appréciée dans la construction, c'est-à-dire pour les bois de service, où on utilise donc euh, pour faire les hangars, pour faire donc euh, des perches qu'on utilise dans les maisons en banco. Parce que tout simplement, elle a la faculté de ne pas être attaquée par les termites. Et soit la dirait donc, euh, d'une branche de, de Prosopis africana laissée donc, ou bien jetée au sol, les termites ne va pas attaquer donc, euh, cette branche. Euh, mais aussi elle est utilisée pour la fabrication des greniers parce qu'elle a un bois très très très dur qui n'est pas cassant. Voilà pourquoi la population apprécie cette espèce. Mais l'espèce aussi, c'est un très très très grand arbre qui donne aussi un très grand fût. C'est-à-dire donc, il y a le côté ombrage et on laisse cette espèce dans les champs pour vraiment son ombrage aussi parce que ça aide donc euh, les paysans dans le gardiennage parce que les gens nous disent qu'ils s'assoient donc euh, sous cet arbre et généralement pour, euh, pour le gardiennage des certaines cultures comme on appelle les euh, euh, dawa qui, qui, ou bien les maiwa et qui sont un peu donc euh, des semences tardives je veux dire, qui, qui, qui, qui vont jusqu'à dans la période froide. Quelles sont les actions que vous menez pour sauver les quelques espèces qui existent encore Vu maintenant l'effort combien louable senti par la population à travers la jeunesse, mais aussi à travers le suivi euh, de, l'environnement, on est en train de régénérer donc euh, euh, certains espaces avec l'espèce qu'on appelle Prosopis africana. Je dirais que nous avons besoin de cette population d'abord un pour la protection parce que même si nous avons le devoir de protéger toutes les espèces, mais quand même on ne verra pas certaines difficultés, je vais dire les dégâts qui se font dans le département. Nous appelons la, population de Waro de continuer donc euh, la surveillance, ça c'est un. De de continuer donc euh, à sensibiliser les gens parce qu'il y a un comité qui est là pour que les gens prennent conscience que c'est pour eux. Tout ce que nous faisons, c'est pour eux. C'est à eux aussi de prendre la relève. C'était un reportage de Moutari Mahamadou allant avec une autre pause musicale dans le titre courmisé. Maliaro, quant à lui, chante le vide créé par le départ de l'être aimé à l'exode. le mal-être de l'exodant s'éloigne des siens, il finit par devenir cette personne qu'on aimerait bien avoir à l'ombre du grand arbre à palavre Maliaro. Vous êtes deux Passage aux résidents à Koni, région d'Ottawa. Vous suivez cette émission, le Niger sur Kalangu, sur la radio NIA 97.5 MHz. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission et Mariam. Et c'est à Koni que nous mène notre sujet régional. Et eh oui, Rabi, pour la première fois vient de débuter la culture des riz à Koni dans la région d'Ottawa. C'est un agriculteur du village de Masalata, non loin de Koni, qui l'a initié. Il s'appelle Abako Mohamed. Ce ce dernier nous explique comment il a commencé cette activité. Il est au micro de Asuman Moussa Arzika. ko yaya ne kai ka shiga aikin noman shinkafa kawai wani mutane na sun ka zo mutane su masu aiki albasa sai sun ka ɗebo ɗaya irin na sun ka tomi da shi sun ka ce to shi in gwada an gani albasa ta suka yi amma ni sai sun ka bi da shinkafa sun ka ce in gwada nan tabki namu to da mun gwada nisa ta kam gaskiya alhamdulillahi mun ɗibe albarka wala ta shinkafa gaskiya injin na nake kunna mata kullun sai ni mata bedi bedi ni mata ramu sosai to duk lokacin da an ka ja ruwan sama sai in buga injina sai su cika kinan sun ka cika gaba ɗaya ko sai in kashe injina to na kashe injina kuma shi na ruwan sama sun zaka kuma sai in kibata ruwa amma da ruwa suka waki in za su hoki a babu ruwa to zan kunna mata injina in cika ta dam da ruwa kenan sai ni zuba mata taki lahiya limi to wallahi alhamdulillah gaskiya kan bana alhamdulillah na samu shinkafa gargudun hali ka samu horo ne na aikin noman shinkafa koko da ka shige shi ne kawai ba tare da samun horo ba wasu ne suka zo suka dan kwatanta mana wannan aikin eh wasu suka kwatanta mana aikin muke to babu da matsala za mu dan gwada to mun gwada kamar la alhamdulillah abi yake wallahi eh to tashi da kanka kungiya ta wanda ta zo da maradin mun ka zo tare ita ta gwada mana wannan al'amari na aikin shinkafa da gidan mai gari ta zaka ta da mu ta zo ta gwada mana tace za ta zo ta kai mu nan ga mudibo da aka aiki shinkafa mun ka zo satin mu guda can wurin aikin shinkafa suna nuna mana wurin aikin shinkafa to ana watsa ta an ka watsa ta ai faloli an ka watsa ta ta hito fito to sai akan bata ruwa kakin in ka bata ruwa sai ka gyara wuraren ka can ka faloli maya maya sai ta isa da shi sai ka zo ka diba an ka zo ka diba sai ka dasa ta warka ka san ka dasa albasa haka aka dasa ta to an ka dasa ta sai lokacin ruwa sun kama aka yi mata wannan aiki idan lokacin ruwa sun ka zo in babu ruwa za ka bata na tafi za ka sa cikin rijiya ka debo ruwa ka sa injin sai su cika ta suka cika ta kuma ba an kai ruwan sama ba ka bata ruwa menene bambancin noman alkama da noman shinkafa to gaskiya noman shinkafa ya noman alkama saboda ta don alkama abin da yasa nake ta ma alkama saboda mu alkama in mun kai ramuna muka in mun kai faloli sai mun ramu musa to mun ka sa su to ba ta aihuwa irin da shinkafa don shinkafa dama da guda guda na muka dasawa in muka dasa da guda guda to gutsu guda sai shi da 80 da 50 a guda dan gutsu guda an ka ce maka gutsu ga guda da guda na zaka amma in ka buge shi a tiya ta shinkafa gutsu guda dai to ita ko alkama gaskiya kam noman ta mun taba noman ta amma sai ka ɗibi wuri da yawa baka huce buhu hudu ko biyar amma shinkafa wurin da ɗiba na ganin da bai huce dami bi na haci na dawa ko na abu amma wallahi hu bene ni ɗiba na shinkafa ni abin ya ban mamaki ce to ita shinkawa ga ana ta yi haka gaskiya na ji da wallahi ta kai ƙarfin alkama gaskiya to yanzu dai ni ni fara in ni fara yanzu mutane da yawa ce dan ɗan musu irin nan za su aiki za mu yi aiki ya Allah da inda mana ta zaka za mu jaraba mu gani al'amarin nan in ya kai ƙarfi wanda yake kaga ko ma noman dawa ma tunda wurin dawo na muka sata sai mu koma mu ci gaba da aikin shinkawa tunda dai gaskiya aikin nan shiga ya yakin wallahi kuna buƙatar tallafi domin bunƙasa wannan noman na shinkawa a cikin yankin naku to yanzu dai tunda dai kaga mun fara mun gani abin zai ci gaba to muna dibin maye maye mu wanda suka kai mu can maraɗi mun kayo wannan horo su zo su kara ba mu kishin zuci su diban mana wuri tsakanin wani abin da su taimaka mana mu ci gaba da aikin nan Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. au sport et nous sommes avec notre chroniqueur sportif du jour, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Bonjour. Nous sommes à 48 heures de l'ouverture officielle du championnat national du sabre national de la Lita traditionnelle 2023. Oui, c'est la 44e édition du sabre national, synonyme du championnat national de lutte traditionnelle au Niger. C'est Agadez, la capitale de l'Aïr, qui accueille euh, cette rencontre sportive et culturelle du 22 au 31 décembre 2023. À quelques heures euh, de la cérémonie officielle d'ouverture, le gouvernement de la région a effectué une visite sur le terrain pour constater l'état des infrastructures devant servir à l'hébergement des délégations et l'arène des Jeux. Le général de brigade Ibra Boulama s'est satisfait des travaux effectués. Il est au micro de notre correspondant d'Agadez, Moussa Actuellement, nous sommes avec euh, la commission accueil hébergement, la commission infrastructure. Nous avons visité l'arène où quasiment tout est au point. Et également, nous avons visité certains centres d'hébergement pour les délégations régionales. Et ici, au niveau du camping, euh, nous, sommes, euh, nous avons visité quelques chambres aussi qui sont réservées à, à certains VIP, comme on dit je pense que partout où nous sommes passés, c'est un sentiment de satisfaction, en tout cas qui nous anime euh, au regard de la qualité des travaux qui ont été effectués. Voilà, Soumana, par ailleurs, la Super League de football du Niger se poursuit. Nous sommes à la sixième journée. Quel est le classement en provisoire Oui, l'AS garde toujours euh, sa position de premier avec 13 euh, points, suivi des douanes, bon, la douane de Niamey, 11 points, Ensuite, nous avons l'AS Garde nationale, l'USN Gendarmerie nationale et l'AS Nigelec. Chacun à 10 points. En bas du classement du tableau, il y a Akokana FC d'Arlit et le Sahel Sporting Club de Niamey, 4 points chacun. Et enfin, Espoir de Zender, 2 points. Cette sixième journée se poursuit toute la semaine. Demain, un match est au programme à Niamey. L'AS Nigelec face à l'AS Garde nationale. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, donc euh, je vous remercie. Merci bien, ce Soumana, je parle sous ton contrôle. Je crois qu'on reviendra dans nos prochaines éditions sur la réaction du général de brigade Ibra Boulama voilà, sur euh, les travaux euh, de l'infrastructure. On se dit à bientôt. Merci. Voilà. Mariam, allons avec le portrait de notre émission. Et oui, elle s'appelle Hawa Garba, c'est une femme animatrice à la radio communautaire de Birningaure, partenaire du studio Kalangu. Cela fait 14 ans que la dame Hawa anime sur cette radio. Grâce au bon travail qu'elle fait, elle est devenue populaire. Voici son portrait avec Oumou Omaru. Zade lokacin kina radiya feri 2007 an gano irgo ne yo nan ga akwai ta yi roki ne iya radio yo bon animatrice go yo ni yo bon ne girma dai na radio firni wo birni igo gike ki animatrice da animateur to irka in irbun <laughs> kebe zamani bai warsu ne ni go haro ir dondon dondon ya son goyo wa kan go tira ifo kuti sujin da gwamnati kan du goyo wara wallahi alhamdulillah zama haikul kara.

zamani bai ba da kan ai gogor din dai ai ni qur'ani kyau ai ni zumandi lokacin kan kine ai ne go ka gate animation ir kwarin ya gone sai to <laughs> alfagan da animation ai ne to ir koy mu di irse to no ni ai ma amaliya kan dai sai koy na asanno kan dai ai di di dai kula ne to tubarkal ir koy dai mu di irse amma dai bor mu goy da kimi radio goy bor su danga mishkila kai na foyan wando hare matnonin da borai jama'a gora goda to wallahi ya dai kai aiwa kai kai furra diyara fi sibilillahi ai goyo ai nadi da himma haya kankan da ai radiyo ngono ai gogate ai si bar fo sanira da warane ai sai ai te yaki ne warane warane gunun nugun ya kansu kanu warade ingan da irkoi zama aiwo ai ga bai hankan go ai binara zama radiya goyora ai gonda ai higi ai gonda zan kaya to ya dinga ifo no koyin borgini <laughs> bar fo sanin borle kalsambu wallahi alhamdulillah zama aidu formation bobo formation aidu mo kangirdu irdu zama ido no ba waga ir koi formation fote to soho ir gin funai danga bore kangir no formation danga ir partenaire kay ci kalangu danga animatrice ya kin wal animateur igi henigi kwande imite voyage d'étude ir mo koy gidi mo kan den hari animatrice go ngi goy teda ir mo du hayo gabi ir mo kandir kani hari ir go tonton ir go yiga to ay go boy go ba kin ay go ba jim jin koy C'était un portrait réalisé par Oumu Umaru euh, Dado. Voilà. Poursuivons avec notre playlist spéciale migration et exode. Le groupe de rap d'Ankowa est catégorique sur le sujet de l'exode et de l'immigration avec son titre N'y va pas. On écoute. capito insegnato, pur mi guido, cresce tua niva Afrique, remettons la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience, de tourner d'eau aux illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les portes d'azur c'est faux. Combien de nos frères sont revenus les poches trouées Combien de nos frères de l'océan ils ont péri Combien de nos frères ont été milliers aux îles Canaries Affermés derrière les barreaux, ils sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, துள்ளு போன எம்மாசை கொய்கையோ காவுரு தூகை எம்மாசை கொய்கையோ குருமி பிடிக்கு ரஷே பாணி பாபா C'était le titre N'y pas du groupe Donkowa. Oh, ah. Rabi, passons au présent au, lotilidesc du du studio Kalangu qui porte sur l'espacement des naissances. Oui, Mariam, en effet, le Niger a le taux de fécondité le plus élevé au monde avec cette femme, cet enfant par femme en moyenne selon les Nations Unies pour bien espacer les naissances et non les limiter comme le pensent beaucoup de personnes, le meilleur moyen est l'utilisation des méthodes contraceptives et c'est ce dont parle Rafika Ataher et Rakia Arimi dans ce loti. loti, <laughs> <laughs> farga sulu eh hamsa he ni sai no ay goga salambo alhana sai mahamu he mano ni gokoi. e ga kaneo irkoy beri da fundugo borai ga dicere da ai ga fongo giri takino ya kan ai mandinin alhana mamu zan kai no nai lakkalaiza mata go. samai naigo dole no me yi min lakkalaiza ni koy zan nai ku ga fatta ifo sai no ni nan yin yan ai Hmm. ai dai ga ti nya mamu tubarkalla Oho mamu, ni diya yar zakai wala? Kai kai kai, wai ni goga kiman dino wal mate. Igiri marge. Sintina wana gwanda jiri hinka. Hamfanta mu gwanda jiri fu. Da wani kan kayan fandara a handu iye. Irkwai beri, ni gini wi yaki ni gafa. nisi gendidan hanyan ai da kyarga mara bai no. Gendidan hanyan ai da kyarga mara? Ifa ga tiyadin kwai ne. A ganan no ni ga hamon mu fullan zama hannu ga gunda fosan bu. a da gendida hayyangai gamara a gannan ni mudu iza lokaci kan ni ba ah ai faham to mata no ai gite tina ga dai makwai ga shawaran da ni fu koyo da a yarda ni ga hinga kwai loktor kwara ima kuri sambuni se ga min nowo kan ga himan da ni so ku fason kan sa foyin gona kan ga hagwai da wadini kwai ne nan kul kan ni kwai isi ba da latariga to da ai fu koyo maniyar dafa zama borno kan a harka ga gabu kwai ne borai no kan gane izbo duyan arzakano hmm, hmm. ifo arzaka to da niyar da nigi hinga kwai di sataidin kan aice ni se ibu kaga dan hayyan da carga mara amfano ki ase silman kaina igane ase kan gendi dan hayyan ai da carga mara wo wai borgan ji hayyan a ganan no amu fullan zam hinne hal a gunda fusan bu hamsa za ne iga bai kan ni farga wani matkan ni zenun da hmm, boradin bongo duyan wowo ga gabu aino ga bai gumo te haikul kan ni gita nufu koyo ma yarda aga hinga ba ni ga gendidan hayyangai da kyar gamara fondai buyon yongodo zama a sanno no ganwa han ga te wadini aigin no fahamai kai na fo zama haifon gona kan himni mutu dindu iza banda a himanno nima nangiri hinka har niga san bugun da fu ni kan da ni izai nasu hayyan takenta niga tabi kwai ne bor ma goida fonda yiwo a gwanda ma'ana gumu. fonda foyon no gono iga kyada za sin tina ga aici ni sai kan ni da labana tina kulgo gwamnati gindabo din kwa loktor kwara igene fahamandi gendida hayyangai da kyar gamara fonda kulubon fonda foyan mu gono ni irgo afrikira nanan diyan sanniga ka da irwan turi foyan kan wai borai da bakan isigabu wani labari kano yan nomi to fonda yiwo si hayyangai gangi sam a a he ni lakale kanandi zani na gendidan hayyangai da kyar gamara nan diga gunda sambo ni di ai bumbo na afo sambo amma ai bani ni samai aha oh me to ai kwanda ai hayan wo da gida zama ai gaba ai fahimu kuma halai ga kwanda sannowo ai fu koyodo fonda yiwo sinda lahani haitu wose he nan ai maki nise gendi da hayyan da kyar gamara wo sinda masal kulwai boraiga ni lakkale kanandi wallahi ai sabo kyaro to ni gadi zama gendidan hanyar da kyar gamara a wanda amfani beri mazenya da izabano zan kai salum yawo matakan da fulan zamai haifo hey a gaba gumo hmm, to zainab baba haya irma haya Merci bien les filles. Euh, et euh, on se corrige un peu, Mariam, le taux de fécondité est plutôt de 6,2 enfants par femme et non 7. Nous avons eu euh, quelques avancées dans ce domaine. <laughs> L'émission du Niger sur c'est aussi de la culture linguistique. Ce matin, c'est Moussa Hassan Didex Zarma qui nous vient avec le mot république. Bonjour, Moussa. Bonjour les filles. Effectivement, je viens avec le mot république qui est défini dans le dictionnaire comme un système de un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui existe le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire des représentants élus, comme on le dit, le pouvoir du peuple par le peuple, Pour, le peuple. Ceux-ci reçoivent des mandats pour une période déterminée et sont responsables devant la nation. Par les représentants, le peuple est la source de la loi, l'autorité de l'État qui doit servir de bien, qui doit servir le bien commun s'exerce par la loi sur les individus libres et égaux. Il faut bien le préciser, libres et, égaux. Donc euh, le Niger, euh, lui, est devenu autonome, une république, donc à la date du 18 décembre de 1960. Donc la République du Niger a aujourd'hui 65 ans, il fête son, a fêté son cinquième anniversaire il y a de cela quatre jours. <laughs> donc euh, pour revenir en Zarma république euh, sanda mat république ausan te je igne ausan hini maire dumino kan hino si kala labi zai bumbo kan bumbai bonse imano boreyan se ka isuban filana hino wonno inin suban maka ma labo mai matka agi yadin ga din igi nono alwati nimu mai jiri yakin me din wodin to igi fillin se wala imiye da boro taji fo ne yadin ga din nge no go ki to bon hino bon nge no ki to tabbatandi hino wana igonda alkawli ka inino im hagwede mera im hagwede chito im hagwede labo juwo lingo de labo arzaka wone wo kulmu imate labize ndafa maga matinge bon fafa da matalfino kai da ikambara hay kulka ite har no kan ima kaciya labize maga no igwate matingai bo maga labize mo kan igongai bongorera ifo afo kun gasa sabmo no asin da boro baboro wal boro baboro ini jalla bo wa furme radin cinra signe republic no za jiri zambar fur zongi ganda woido kan niger ka nga bom merera december handu ajir wucin da ako nkunu me niger sindikala jiri woido cindigu republicara Moussa, c'est pas plutôt 58 au lieu de 60 58, et nous 1958. voilà. C'était en 1958, euh, évidemment. 1958. Merci bien, Moussa, pour ces éclaircissements, cher auditeur. Si vous avez d'autres mots et expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hein, haussa, en zorma, en tamaché, en fourfoulé, n'hésitez pas à laisser un euh, vocal ou un message écrit au 82 89 89 64 se dit à bientôt pour un autre mot du jour, Moussa. Voilà. Mariam. Sunana Muhammadu Ibrahim. Gaskiya studio Kalangu tana kayatar da mu matuka. Dan ganin muna ji shirye-shirye da dama wanda ya shafi al'amuran kasashenmu da nahiyoyinmu gaba ɗaya da yankunanmu. abubuwa na wayar da kai bangaren kiwon lafiya da harkan tsaro da sauran labarai wanda ya shafi kasashenmu da yankunanmu gaskiya abin yana kayatar da mu mutuka domin muna jin gaskiyar bayani a studio kalangu abin da zan cewa yan uwana matasa shine zaman lahiya abu ne wanda take da muhimmanci a rayuwarmu komi in kaga kasa ta ci gaba sai da zaman lafiya zaman lafiyar nan shine mu matasa za mu tashi mu neme ta ba tare da wani tashin hankali ba ba tare da komi ba mu ne za mu kawo kanmu zaman lahiya domin duk yanda kaga zaman lahiya ta daure yan uwa matasa su ne suke kawo ta dan dan uwa matasa ya nemi aikin shi na yi yayi gungiyan shi wanda zai wayar da kan yan uwan shi matasa zaman lahiya matasa mu ne muke kawo kamar yanda tashin hankali ma yana fitowa ne daga cikin mu matasa haka zaman lahiya tana zuwa ne a cikin mu matasa gaskiya zan cewa malaman mu na musulunci su tashi su kama mana da addu'a mu yan gari da malaman su ma su tashi su kama mana da addu'a domin Allah ya gwada mana abu mafi alheri dan ya ya zamanto shine mafi alheri a gare mu a halin da muke ciki a yanzu to fata na da kristoci da musulmai dai mu yan uwan juna ne mu haɗa kanmu guri guda ɗaya mu ceci mu domin mu taimakawa mu da addu'o'in mu radio kalangu ta zama ita ce take haskaka mutane da ya ganar da mutane ga ilimi abubuwa da wani sauraron wani abubuwa da mutane su gane a kasar nan sosai a nan bangare tana da kokari mun yaba mata kuma insha Allah kuma mu dai duk yadda goyon bayan da take so mu muna iya bata radio kalango game da ko sauran kasa ko zaman jama'a cikin zaman lafiya cikin al'umma zaman lafiya tana da daɗi a baya mun yi zaman lafiya sosai yanzu ne abin an gane kasan tana cikin wani damu ba mu sani ba dukkan mu haka daga baya ne abin ya zonto kasan kana haka cikin haka haka da kowa ya gane da ana so a gane inci ne ake kan to amma tara hankali ba shi bane zai kawo incin kai komi da hankali in hankali ya bace hankali ne ke nemo shi nan an yi hakuri da ilimi da abin an yi hakuri komi yana wucewa wani kasashen ma da yawa da hawolu suka sha wannan abun suka nemi incin kansu yanzu suna zaune a lafiya lau abin da nake so mu cikin ɗari a nijarin karuwa kaci casa'in mu duka musulmai ne ya kamata malaman su yi roƙo Allah mu makar mu tsaya mu roƙo Allah kuma Allah zai kawo mana mafita Rabi, c'était là les messages pour de nos auditeurs. Ah oui, des feedbacks qui encouragent et qui font plaisir. Ici prend faire notre émission de ce mercredi 20 décembre 2023. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même Madé. On se dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Excellent après-midi à tous. Bye bye.